donc monsieur le maire dina def déclaration bi ci français bu paree dina ko def ci wolof donc je cède la parole à você, por ser seu carinho aqui no dom. Venha querido Padre, dá-se conosco aqui. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.

par les prières qui sont les leurs. Chers amis, chers compatriotes, le 29 septembre dernier, j'ai quitté la maison d'arrêt de Rebus après deux ans et demi de détention. Durant tout ce temps, vous avez partagé avec moi cette épreuve Faites selon certains de privations, selon d'autres de sacrifice, mais pour moi, ce fut un fort moment de communion avec Allah. Croyez-moi, je n'ignore rien des pressions, des intimidations et des émotions que vous avez vécues et surmonter surtout avec dignité et avec beaucoup de responsabilité. Je vous en remercie. J'ai pour chacune et pour chacun de vous une pensée particulière, pleine d'admiration, de considération et d'affection. Voilà pourquoi je vous retrouve aujourd'hui avec un grand plaisir de vous, vous exprimer de vive voix mes sincères remerciements. Chers amis, cette rencontre me permet également de retrouver des visages, de revoir vos sourires, de serrer des mains et d'échanger des mots. Et en cela, je dis merci à vous. Je veux également exprimer ma reconnaissance aux Sénégalaises et aux Sénégalais de tous âges, connus ou anonymes, au Sénégal ou dans la diaspora, qui m'ont manifesté leur affection et leur soutien par leur prière, par leur mobilisation et certains par leur visite, même si ce ne fut aisé je veux renouveler ma gratitude à mes avocats qui se sont illustrés par leur loyauté, par leur sens professionnel élevé et par de brillantes plaidoiries dans un combat politique habillé sous les oripeaux d'une affaire judiciaire. Je veux également remercier les autorités religieuses et coutumières, les organisations et personnalités politiques, les organisations de la société civile et les personnalités indépendantes qui m'ont témoigné de solidarité. J'ai une pensée émue pour toutes les personnes privées de liberté mes pensées et ma gratitude s'adressent en particulier à ce moment-ci aux détenus de la maison d'arrêt de Rebus avec qui j'ai partagé cette partie de ma vie. Cette détention a renforcé mes convictions sur la nécessité d'améliorer les conditions de détention et le traitement des détenus. Elle m'a permis de voir les drames humains provoqués par les longues détentions préventives qui transforment de présumés innocents en présumés coupables, avant même qu'ils ne soient jugés. Elle m'a fait constater les effets désocialisants de la prison contre lesquels il faut rapidement apporter des solutions telles que le maintien des liens familiaux, la transformation des lieux de privation de liberté en espaces d'acquisition de savoir pour favoriser la réinsertion du détenu et l'élargissement de la gamme de sanctions pénales alternatives à l'emprisonnement. Mes pensées et ma gratitude vont également aux autorités pénitentiaires et aux agents de la maison d'arrêt de Rebus, soumis à une pression insoutenable à des rythmes astreignants. Cette situation doit obliger l'État à adopter un statut pour les agents de l'administration pénitentiaire avec l'objectif d'améliorer leurs conditions de travail et de permettre à ces serviteurs de l'État d'exercer leur mission dans la dignité. Mes chers amis, mes chers camarades, cette épreuve ne doit pas nous faire perdre notre humanité. Nous en sommes sortis le cœur ouvert. Cela est parfois mal compris, il est vrai. Mais nous ne devons avoir ni haine, ni rancœur, même dans la l'adversité. Nous ne devons pas céder aux excès de la politique, ni perdre notre temps à ressasser le passé. Le passé est passé. à faire ensemble pour notre pays. Mais avant de tracer la voie vers cet avenir commun, je veux évoquer à grands traits trois viatiques nous éclairer dans notre cheminement collectif au service du Sénégal. Cette épreuve n'a pas entamé nos convictions, mais nos contraintes. La fidélité à nos valeurs nous a permis de résister à l'acharnement du pouvoir. Nous sommes les héritiers d'une histoire vivante, forgée dans l'alliance entre la démocratie et le progrès. Nous devons en être fiers et porter son message fondé sur les valeurs de liberté, d'égalité, de justice et de solidarité nous sommes plus résilients. C'est le premier viatique. C'est donc grâce à notre identité que nous devons garder intact. Nous sommes de gauche, nous sommes des socialistes. la force de nos convictions et la fidélité à nos valeurs. Je veux saluer le mérite de chacune et de chacun d'entre vous d'avoir cru à notre combat et de continuer à faire front. Il s'en trouve encore un des femmes et des hommes qui ont tout sacrifié pour un Sénégal plus libre, plus prospère, plus juste et plus solidaire à l'opposé du pays dans lequel nous vivons. C'est le deuxième viatique qui nous différencie du pouvoir et nous engage à nous opposer à ces politiques néfastes pour le peuple sénégalais. Nous restons sur cette ligne d'ancrage dans l'opposition avec responsabilité, mais sans compromission, avec fermeté, mais sans excès. De cette position, on ne peut dissocier, et c'est le troisième viatique qui nous différencie également de ceux qui gouvernent notre attachement aux conclusions des assises nationales. Parce qu'elles reflètent la richesse des expériences et des attentes du peuple. Les conclusions des assises nationales constituent le document de référence de notre projet. Bien entendu, il faudra les adapter au contexte et aux évolutions de notre pays, de l'Afrique et du monde. Mais nous nous engageons à les mettre en œuvre sans rien omettre et sans rien mettre en cause. Mes chers compatriotes, mes chers camarades, une grande nation comme la nôtre peut se construire et incarner ses valeurs pour tracer un chemin d'espoir pour les millions de Sénégalais qui s'impatientent et s'angoissent. Je vous parle de l'avenir d'un avenir qui puisse se balise dans les valeurs de notre nation et qui poursuit la finalité d'un État qui tient sa promesse pour nous et pour tous ses citoyens. Je vous parle de l'avenir qui se construit dans la paix, avec notre volonté commune et avec des énergies, avec des énergies plurielles Cet avenir ne serait pas partagé sans des réponses pertinentes à notre questionnement collectif sur notre vivre ensemble mis à mal depuis quelques années. Vivre ensemble, ce n'est pas seulement la coexistence des communautés, c'est la communion entre les femmes et les hommes ayant le même sentiment d'appartenance à une nation ouverte, à toutes les fraternités, partageant les mêmes valeurs et unis par un destin commun. L'école, pourrait contribuer à renforcer notre vie ensemble. Si nous, faisons, si nous en faisons le lieu de construction de la citoyenneté et le cadre d'acquisition de connaissances conformes à nos valeurs et adaptées aux besoins de développement de notre pays. Mais nous ne saurions appréhender le vivre ensemble dans toute sa mesure, si nous ne l'associons pas à un modèle de gouvernance qui en garantit la cohésion et la permanence. En effet, notre commun vouloir de vie commune doit s'appuyer sur l'édifice d'une République garante de l'état de droit et des droits humains. Cela nous engage à renforcer notre pacte républicain avec des garanties partagées et acceptées d'effectivité de la séparation des pouvoirs de l'indépendance de la justice, de la démocratie, de la décentralisation, des libertés publiques, des droits humains et de la transparence dans la gestion des ressources publiques. Mes chers compatriotes, chers camarades, dans la mesure où tout se tient, il est évident que la refondation de la gouvernance doit avoir pour finalité de recentrer l'État dans ses missions afin que le Sénégal soit un pays pour tous les âges, pour toutes les énergies, pour toutes les hommes. À cette fin, il est impératif de placer l'homme au cœur des politiques publiques et de le considérer comme la première ressource sur laquelle l'État doit investir. C'est dans cette mesure que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais, en zone urbaine comme dans le monde rural, pourra accéder à des soins de santé de qualité, à l'éducation, à la formation, à un emploi décent, à la protection sociale, à la sécurité et aux services publics en nombre et en qualité. C'est également dans cette mesure que l'État va garantir la solidarité avec les sous vulnérables et la solidarité entre les générations. Cette responsabilité nous oblige à penser aux jeunes, aux femmes, aux personnes âgées et aux générations futures dans l'exploitation et dans la gestion des ressources naturelles. Cette responsabilité nous engage également à inverser les tendances actuelles de notre économie pour construire de nouvelles efficacités capables de produire des richesses durables, de créer des emplois pérennes et de lutter contre la pauvreté permettra à notre pays de développer une économie dynamique, diversifiée, inclusive et portée par le secteur productif national et par le secteur privé sénégalais. Sur toutes ces questions et sur d'autres aussi importantes comme l'intégration africaine, le changement climatique, le défi sécuritaire et la question migratoire, nous avons à engager les ruptures radicales et les transformations fondamentales que notre pays ne peut plus ignorer sans risquer de se perdre. Mes chers compatriotes, mes chers camarades, portés par cette double exigence d'une nation refondée autour de ses valeurs et d'un État au service de ses citoyens, je vous retrouve encore plus déterminé. Mes chers amis, après avoir capitalisé des expériences vécues, j'y ai puisé une énergie nouvelle que je continuerai à mettre au service du Sénégal. vers l'avenir de notre pays, seule perspective digne d'intérêt, je poursuis mon engagement politique avec vous, mes chers camarades avec toutes celles et tous ceux qui partagent les valeurs de liberté, de progrès, de justice et de solidarité, en étant ouvert aux accords secondants de toutes les forces vives de notre pays. Et tous ensemble, un pas après l'autre, dans la confiance retrouvée et dans une espérance partagée, nous marcherons vers un avenir prospère et solidaire, Inch'Allah.

ñu dem aussi ba xam ni war nañ ko mën a taxaw pour nuyu pour ñaan pour gërëm pour sant bépp kilif bépp waytu bépp àndandoo boo xam ni sa xel sa xalaat sa doole sa taxawaay sa jëfin dem na ci tàngal sa loxo yàlla pour nga ñii tamit ci ñu teggoo du ci mënuñu leen fay nañ ñoom ñëpp yàlla leen yàlla fay yéen ñi nga xam ne nag ñoo seq yëf ci parce que ñu bokk bëgg-bëgg bokk jëmm bokk gëm-gëm kenn lu leen fay suñu bopp la ñu liggéeyal yal na yàlla mottali suñu yéene te egg ñuy gërëm bu baax di xalaat xale mag ndaw yama bàyyi rëbës rëbës gars yi dañ def ni bérébu maa ngi leen di wax ni bis ñu fi tey defarukaay la aussi nit mën na fa baaxe nit mën na fa jóge dem topp yàlla bëgg nit jóge fa nag topp yàlla moo tax nit ñu yaakaar ni na fa xale nekk na fa mag ña nekk war nañ ko soppi war nañ ko changer ba ku fa sa dignité doo ko fa génne ku fa génn ak sa ku fa dugg sa xol doo sa xel doo fa fa génne

ay jigéen lañu ay xalé lañu ay mag lañu lo xamné ne xam nañu tax ñu nekk foofu naam seen liggéey yi metti na naam seen taxawaay metti na mais ñu koy def ak dignité ak ngor ñu xam mébét yaakaar di engagé état bi bis bu ko mënul bis bu ñëwee ñun ñu def ko incha allah statut statut bi nga xam ne moom la agence police pénitentiaire di xaar lu urgent la parce que ku nekk nag ca la nga nekk da ngay ñaan yàlla mu yokk mais seen statut boobu yàkkamti nañ ko xaar nañ ko bëgg nañ ko yàlla leen ko état bi defal ci leen mën a gaal di sant di gërëm suñu kilifa yëpp kilifa diine kilifa aada way jur mbokk xarit am di jàmm képp koo xam ne rek lii nga xam ne yàlla tegoon nañu ko amoon nga ci ñeewantal amoon nga ci xel bu tooy amoon nga ci xel bu xel bu naqari ma ni kooku ba mu jaral la ngay ñaan ak dafa ko wax ma ni ku nekk ci ñoom ku nekk ci sa tur sa sant ñoo ngi laa gërëm di la sant jigéen yeeg xale yi nag raw ci yéen kenn mënu mais li ma bëgg a ñëw ñu jànge ci lii li ma bëgg ñu jànge ko ñu ñëpp ci lii mooy yàlla fu mu teg nattu rek moo xam lu tax mu teg la ko soo ci tiiree leçon yi di nga ci mën jëriñoo lu bari tiiree leçon yooyu nag moo ñu amal solo ñu fi nekk di mere Massamba di mere Mademba biñ fi nekk di Fatma Dem loolu weesu na weesu na depuis le 29 c'est fini meewuñu ko ñoom lay ñaanal loolu ñu dund yàlla luum ba tax na nag li am solo mooy li suñu kanam li suñu kanam mooy suñu réew li xam li suñu kanam mooy suñu engagement mooy dalal seen xel

comme ni ko assise nationale yi nga xam ne mooy suñu base gis cette stratégie ak orientation tëbël dafa jël sénégalais bi rek nit ki rek doomu aadama rek def ko muy finalité ou politique mais surtout li ci am solo mooy nit ki chaque sénégalaise et chaque sénégalais yaay mënal di matal di mott di defal sa bopp kenn baña topati ci kenn di lappi lappee ke yaakaar ak ñaan ni koy def jangala système éducatif bi ñu xoolaat ko formation professionnelle bi ñu xoolaat ko xol nak nan la ñuy doxale réew mi ba yenn tolof tolof yi yenn jalgati ak yenn yi bañ a jaar ñu créer état ñu gën a dëgëral suñu état état boo xam ni institution yi ko composé ku ci nekk sa rôle ko jouer normalement parce que loolu am solo soo gisee citoyen gëm état c'est parce que état bi ku nekk la nga incarné ci sa wàllu ci état bi da kaa fees dell te doo ci seet dara doo ci ragal dara doo ci ji dara loolu la war a réfléchir ñun ñëpp.

que xam mooy réew mi toll woon na foo xam ni nit ñi defe nañ ni yaakaar daf fiy jeex mais yaakaar di ko li koy dekkal li koy def ku nekk ci ñun lay doon il faut que chacun de nous soit porteur d'espoir pour qu'il soit porteur d'espoir il faut que moom mu gëm boppam gëm réewam xam ni réew mi nag kenn ëppalewu ko ci nañu libérer nit ñi ci ñun ci ñun homme politique yi nit ñi yaakaar ni ku politicien dimbaliwul doo dem ku ñu jàppalewul doo dem nañu gëm yàlla gëm suñu bopp daañu dem Sénégalais bu mel nga xam ne moom lañu am muy pétrole bi ñuy wax ak muy naaj bi ñuy am ak lépp lu ñu yàlla jox suñu ko gëmee gëm suñu bopp xam ne ñun dong ñoo ko war defar Quel du ñu ci fekk si daañu ko moo tax sànq li wax ci français man il faut que cette économie extravertie nga xam ne li ëpp ci li ñu am dañ kaa jéggaani naam li ñu jël li ñu am ko normalement si dans un horizon de 15 à 20 ans on acceptait de nous affranchir de l'importation du pétrole et de développer le solaire réew mi mën Nous kanam ñu bañ en train. fexe ba créer ay société yu defar fii loolu loolu moo am solo nañu inversé bu ñu yaakaaree ci bitim réew mi ñu yaakaar suñu bopp bi wax na ko àndoo booloo mooy suñu doole bon nag ngeen xam ne mi ñoo ko bokk réew mi ñoo ko moom ñoo ko bokk ñoo ko moom nag du wax jëf rek na ñuy jëf na ñuy jëf